Le premier niveau, c'est par rapport à la situation normale et par rapport à la situation qu'on a l'habitude de connaître ce dernier temps. Ce dernier temps, je veux dire, avec euh, cette réalité qui de jour euh, au jour se confirme, cette question de changement climatique. Ça fait un bout de temps où nous avons un démarrage précoce de la campagne, donc généralement à partir de la dernière décade du mois d'avril, mais et pendant cette période ou à la décade où nous sommes en train de, parler aujourd'hui, nous avons en tout cas un certain nombre de pourcentages des villages qui ont sémé. Donc, euh, contrairement aux autres années, c'est vrai qu'il y a eu un démarrage plus ou moins et, qui n'est pas extrêmement différent par rapport euh, et à ce qu'on a connu ces derniers temps. Je vais dire, pendant la deuxième décade du mois de mai, on a eu jusqu'à 13 eh, villages qui ont fait leur premier semis, notamment dans, eh, dans le département de Filingué. Mais globalement, à la date d'aujourd'hui, pendant la fin de la première décade du mois de juin, nous avons 264 villages qui ont sémé, ça fait 12% sur les 2140 villages. Et à la même période, la première décade du mois de juin 2020, nous avons jusqu'à 28%, donc ça faisait 609 villages sur les 2140 villages qui ont sémi. C'est qu'il faut retenir. Maintenant, quand on rentre dans, nos analyses, les dates probables de sémi dans notre région, dans nos isouettes, dans l'entendement sur une moyenne de 30 ans, elle se situe pendant la première décade du mois de juin. Donc, en situation normale, c'est la période normale de démarrer de la campagne dans notre région. Mais on est obligé d'être optimiste. Espérons que c'est le retour de la campagne normale, parce que le problème, comme vous le savez certainement, ou d'autres le savent, les isouettes correspondent à un cumul pluviométrique. Donc, ce que nous souhaitons, c'est la bonne répartition dans le temps et dans l'espace. Or, de l'autre côté, quand les pluies commencent très tôt, nous avons des intervalles de sécheresse qui agissent et deux fois ça agit sur le résultat global. Et deux fois on a des arrêts précoces. Mais nous souhaitons, avec ce démarrage du cadre normalement à une situation normale, le premier des quatre du mois de juin, nous souhaitons que ça soit un retour où nous souhaitons que l'année soit une année normale par rapport à la moyenne sur 30 ans. Maintenant, l'autre côté, par rapport à la situation phytocentrale, dans l'ensemble de la situation est calme. Seulement, je profite pour dire nous disposons pour le moment et pour le démarrage de la campagne des produits plutôt vraiment qui peuvent nous permettre de couvrir largement nos besoins par rapport à nos premières attaques. Nous disposons avec l'appui de l'État, en tout cas pour le moment, et certains partenaires qui ont fait des appuis localisés. Vraiment, nous disposons des, des produits nécessaires. Peut-être l'autre côté, c'est qu'on doit dire, nous allons profiter aussi pour demander aux collectivités et aux nouveaux maires vraiment d'accompagner le secteur. L'État ne peut pas tout faire. Je ne suis pas la voix autorisée pour leur dire de faire, mais nous plaidons. Nous plaidons, vraiment nous plaidons. Nous plaidons. Donc euh, on attend et nous souhaitons leur compréhension. Maintenant pour la situation alimentaire. Donc la disponibilité, elle est l'approvisionnement régulier sur le marché, c'est fait. Maintenant, le seul problème qu'on a constaté pour euh, cette année, c'est vraiment une légère hausse par rapport au prix à la même période de l'année 2020. Donc, on a constaté pour le 1000 une hausse de 8,8% par rapport au prix normal et à la même période. Pour le maïs, nous avons jusqu'à 24% de hausse. Donc, c'est pour vous dire que cette année, on a constaté vraiment un petit changement par rapport au prix. Maintenant, pour le sorgho, c'est jusqu'à 18%. Donc, euh, c'est tout ce que nous pouvons dire par rapport à la situation alimentaire de la région de Tilabiri et à la campagne. On parle de la situation alimentaire parce que vous le savez, c'est une période de, euh, consommation, pas de production, parce qu'il nous faut de l'énergie, il nous faut bien manger pour rester dans nos champs et, produire. Donc, euh, c'est la période où la plus des choses qu'on amène sur le marché et au niveau de tous nos marchés de ravitaillement, c'est vraiment des occasions de consommation.